journal est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. dans un sursaut de solidarité bien connu par la gente féminine que les femmes issues des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité en tant que mères épouses, filles des citoyens tout court, après s'être vidées de toutes leurs larmes, se sont concentrées pour faire une grande fatia de toute confession religieuse. Seigneur, ce matin, je prie, car tu es le Dieu qui donne la paix. Que la paix soit dans ces nations, que la paix soit à Gadez, que la paix soit à Difa, que la paix soit à Maradi, que ça soit Dosso, que la soit Niamey, que la soit Tilaberi, que la soit Tawa, que la soit Maradi, Seigneur, que la soit aussi à Toi, tu ne dors pas et toi, tu ne sommeilles pas. Toi qui veilles sur le Niger. Et nous prions aussi pour les autorités éternelles, que tu les donnes la sagesse éternelle, que tu continues à les protéger et que tu protèges les FDS, Seigneur. Ça n'est suivi une déclaration dans laquelle elle félicite, encourage et présente leurs condoléances au gouvernement, famille des victimes et aux forces de défense et de sécurité, tout en appelant le gouvernement nigérien et tous les chefs d'État du G5 Sahel à faire preuve d'un meilleur engagement afin de redéfinir leur stratégie d'intervention pour protéger leur population face à la menace des terroristes de plus en plus pesante. Le choc général provoqué par les événements d'Inates, d'une rare violence, a réveillé notre fibre maternelle, notre sentiment de protection après la procréation et aussi notre rôle de conseillère dans notre souci de contribuer de manière inexonérable à la paix et à la sécurité aux côtés des hommes. Nous, femmes nigériennes, mesurons l'ampleur et les âpres conséquences d'une guerre qui nous est injustement imposée par des forces obscurantistes et qui fait des ravages dans nos familles et nos communautés. Présentons nos condoléances les plus émues au peuple nigérien aux familles endoyées, aux forces de défense et de sécurité et au président de la République, père de la nation. Puisse Allah, le miséricordieux, le trop miséricordieux, accueillir les défunts dans son paradis éternel. Amen. Réaffirmons notre soutien au gouvernement au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Issoufou, chef suprême des armées, pour les efforts constants il ne cesse de déployer pour venir à bout du terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Nous l'exhortons à la concrétisation de l'acte annoncé lors de son discours à la nation, à savoir la prise en charge complète des veuves et des orphelins. Et pour ce faire, nous sollicitons le barreau du Niger praticien du droit, afin qu'il soit la sentinelle de l'effectivité de cette décision. Saluons l'assistance des partenaires multi et bilatéraux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et les pratiques en tout genre et les exhortant à des stratégies porteuses de succès. Prions Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il descende la paix et la tranquillité sur l'ensemble de notre territoire. Exhortons les chefs d'État des pays du G5 Sahel à mutualiser davantage leurs efforts, à continuer l'offensive pour l'opérationnalisation de la force conjointe. Continuons à prier pour qu'Allah nous vienne en aide et éloigne de nous tous ceux qui veulent s'aimer la terreur et la désolation dans les pays du G5 Sahel et le Niger en particulier. Enfin, ces femmes ont lancé un appel de solidarité des femmes de l'espace du G5 Sahel afin que par leur encadrement puissent contribuer à ramener la paix et la quiétude sociale dans leur nation, car dans tous les pays en guerre, les femmes et les filles paient le plus lourd tribut à travers les enlèvements et les viols pour ne citer que cela. Nous avons demandé et nous demandons encore à tous les citoyens, dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, vraiment quelqu'un que vous soupçonnez, essayez de prévenir les autorités, même les chefs de quartier, pour que des mesures soient prises. Et c'est comme ça seulement qu'on peut éradiquer vraiment ce problème d'insécurité. Chacun à son niveau doit ouvrir les yeux. Chacun à son niveau doit faire attention. Attention à sa famille aussi. Parce que vous avez vu les enlèvements qu'il y a. Il y a beaucoup d'enlèvements. Dieu merci, il y a la haute autorité qui est là, qui est un mécanisme de régulation, de, choses, de consolidation de la paix. Déjà, c'est un pas de gagner. Mais moi, je voulais qu'on mette l'accent sur le projet dialogue, justice et sécurité qui où on parle de la sécurité de proximité. On sensibilise la population qu'ils savent que les FDS sont là pour notre protection. S'il n'y a pas de FDS, il n'y a pas du pays. Le pays sera mort. Moi, c'est l'appel que j'ai annoncé au gouvernement pour qu'on mette vraiment l'accent parce que le ministère de l'Intérieur a commencé l'année passée, mais aujourd'hui on a baissé les bras. Je voulais qu'on réveille ce dossier-là. Je dois d'abord remercier le Tout-Puissant, Allah, et je remercie la détermination de nos autorités parce qu'aujourd'hui, à Niamey ou ailleurs au Niger, tu peux te déplacer, tu peux t'arrêter, tu peux aller où tu veux. Ce n'est pas notre pays le problème. Le problème, c'est le pays voisin, c'est le Mali, c'est le problème de la Libye qui ont amené ce problème euh, au Niger. Et Boko Haram, euh, il n'est pas né au Niger. Nous, nous sommes pris en sandwich. Les autorités ont pris des dispositions fermes et je salue d'ailleurs la détermination de son Excellence Alhaji Mahmoud Et aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut pas, c'est des risques qu'on ne peut pas évaluer. Ça peut arriver d'un moment à l'autre où on peut trouver une attaque par-ci, par-là. Mais franchement, par rapport aux autres pays, aujourd'hui, on ne peut pas que le cas du Niger est impitoyable. Pas du tout. Euh, rendons grâce à Dieu, continuons de prier et de soutenir nos autorités pour que la paix descende au Niger. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes, ce sont des gens qui sont sans foi. Parce que quelqu'un qui attaque une mosquée, quelqu'un qui est contre la lumière, l'apprentissage qui est décrit dans le Coran, on ne peut pas les qualifier de djihadistes ou de je ne sais pas quoi, mais c'est tout simplement des bandits armés et on a le soutien et, on, notre gouvernement aujourd'hui à travers notre déclaration a le soutien ferme de toutes les femmes je dis bien toutes les femmes, comme vous l'avez constaté, c'est toutes les femmes qui sont sorties pour soutenir notre gouvernement dans sa lutte contre l'obscurantisme, dans sa lutte contre les bandits armés où ils sont, où ils se trouvent, qui doivent être détruits. Ils ont notre soutien et nous allons continuer à les soutenir. Nous allons continuer à prier eh, avec notre gouvernement pour que la paix règne au Niger. Quand on est dans une période comme celle-là, on doit absolument être vigilant des mouvements, la jeunesse, les femmes tout le monde, toutes les catégories sociales doivent être unies dès qu'on constate un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de voir, dès qu'on constate des gens qui viennent dans un village qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ne viennent pas se présenter au niveau des autorités, eh bien on doit absolument informer l'autorité, qu'elle soit coutumière, qu'elle soit une autorité, autorité publique la plus proche, vraiment on doit la saisir. Et on doit former nos enfants pour qu'ils prennent aussi euh, vraiment, euh, qu'ils prennent conscience du danger dans lequel nous sommes. Les réseaux sociaux, faites attention. Ils divulguent des informations des fois pour nous séparer ou pour créer des troubles. Il faut les éviter, il faut savoir quelles informations il faut filtrer. Et il faut que la jeunesse collabore parce que les jeunes, ils sont plus mobiles que les, les grandes personnes. Il faut qu'elles soient mobiles pour qu'elles voient. Parce que, dites-vous bien, le terrorisme ne fait pas la différence de couleur tu portes rouge, tu portes vert. Pour lui, c'est la même chose. Quand ils viennent, il ne va pas demander, toi, tu es de, de tel, de tel bord ou de... Non. les terroristes quand ils viennent, ils tuent simplement et raffolent. Et on a vu ce qui se passe dans les autres pays. Donc, nos enfants doivent être vraiment sensibilisés, informés pour qu'ils collaborent dans la lutte contre les bandits. la création du fonds euh, par rapport aux victimes, euh, nous saluons à juste titre euh, cette initiative du président de la République. Mais fort malheureusement, on sent parfois que le suivi manque. Et cette fois-ci, je considère que le président de la République a pris l'ampleur de la situation. en créant ce fonds-là, je pense bien qu'il fera diligence pour qu'il soit trop regardant à la matière et qu'il suive ça à travers ses services compétents de confiance. Le deuxième aspect aujourd'hui aussi de son discours, c'est par rapport à l'immortalisation du, lieutenant-colonel. Eh, Hassan, là je suis aussi parfaitement d'accord avec lui parce qu'il vaut mieux immortaliser nos voyants eh, eh, soldats qui est d'immortaliser des, personnalités étrangères. Je pense bien que ce qu'on doit faire maintenant, c'est ce genre de choses, qu'on fasse euh, une, certaine immortalisation de nous voyons euh, euh, soldats qui ont démontré que chaque fois, à, combien de fois la patrie est chère pour eux et pour nous tous. Le troisième point, et je ne me sens pas tout à fait d'accord avec le président de la République, c'est franchement par rapport à l'esprit critique à l'esprit critique, euh, sincèrement, euh, euh, de la gestion de la chose sécuritaire. Nous ne demandons pas, et personne aujourd'hui, personne ne peut accepter qu'on fasse, ou qu'on prête atteinte à la moralité de la troupe, mais ce qui est sûr, il faut aussi décrier, décrier en réalité tous ceux qui sont susceptibles de contribuer à ce que cette troupe soit démoralisée dès les faits. Et ceux qui contribuent à ce que cette troupe soit démoralisée dans les faits, c'est tous ceux qui sont complices par rapport à cette situation qui nous a été imposée de gré ou de force par des forces invisibles, dont d'ailleurs qui commencent à être visibles, parce que les masques ont commencé à tomber dans ce cas d'espèce, et je pense bien que le président de la République doit revoir sa copie par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, que le président de la République s'assure et qu'il se dise une chose de la même manière qu'ils sont jaloux, ou du moins les autres sont jaloux, ou lui-même est jaloux de, la chose publique et de la patrie, nous aussi nous sommes très jaloux par rapport, parce que nous savons très bien quand ça pète, les les premières victimes, c'est en l'occurrence nous. Nous ne sommes pas gardés. Nous sommes des électeurs libres. On a toujours souhaité que le président de la République donne son point de vue et encourage aussi le dialogue politique qui est en cours actuellement au Niger. D'ores et déjà, il a dit au cours de son discours, il a encouragé le Premier ministre, chef de gouvernement, et il a encouragé tous les hommes politiques nigériens à partir en avant et à mieux s'entendre sur certains points. Deuxième point qui nous a beaucoup édifié, c'est le fait d'immortaliser notre héros, cela veut dire euh, le commandant qui était à la tête euh, du camp d'Inates en lui en partisant bientôt une place à son nom. L'une des places les plus fréquentées par les jeunes Niamey. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Troisième position, c'est par rapport euh, aux élections. le président de la République a une fois de plus rappelé et réaffirmé sa ferme détermination à finir, Inch'Allah, en paix son, dernier mandat. Il a pris l'engagement que pour une première fois au Niger, un, un président sortant doit transmettre les, les flambeaux à un autre président rentrant. Et ça y va de la stabilité de notre pays. Nous tous, on a des ambitions, mais au-delà de tout, il y a le Niger. On doit mettre le Niger au devant de tout. C'est une forte mobilisation, comme d'habitude, des militants et militantes du deuxième plus grand parti sur l'échiquier politique national qui a marqué cette conférence nationale extraordinaire qui intervient dans un contexte marqué très malheureusement par une tragédie. La tenue de ces assises intervient malheureusement quelques jours après la tragédie qui a frappé notre pays et comme vous avez pu le constater, nous continuons apporter le douille de nos valeureux soldats tombés au champ d'honneur, d'où l'annulation de toute festivité qui, en pareille circonstance, ponctue nos retrouvailles. Niamey se réjouit de recevoir les délégués statutaires de la conférence extraordinaire. Ces délégués escalités, qui, conformément à nos textes, ont fait comme à leur habitude preuve d'endurance d'engagement et de détermination, toutes choses unanimement reconnues aux vaillants militants du moderne FA Lumana Africa. Ils sont venus répondre à l'appel du Bureau politique national pour combler les vides créés par la vacance de certains postes au niveau du dit qui gère le parti entre deux congrès. Quel est le véritable objectif de cette rencontre Nous sommes aujourd'hui réunis pour nous conformer à la décision de l'autorité publique du tutelle. C'est le lieu pour moi de saluer cette nouvelle opportunité qui nous a offerte pour renforcer notre unité, de consolider notre cohésion et par-dessus tout, renforcer notre engagement commun et devrait la création de conditions dans de meilleurs vivre ensemble. Chers délégués, nous avons à vous voir au poste vacant au sein du Bureau politique national et de la conférence nationale. Le vice-président par intérim élu du modèle FA, s'est apaisanti sur plusieurs points importants dans un communiqué final. La conférence a procédé à l'analyse de la situation politique, économique, social et sécuritaire de notre pays et de la vie du parti. Sur le plan politique et social, la conférence constate, hélas, la persistance d'une situation délétère, exacerbée par des pratiques antidémocratiques et antisociales du pouvoir en place. Quant à la situation économique, elle connaît une descente aux affaires contenues. Pour tout dire, les mauvaises pratiques du régime s'amplifient alors même que le contexte général devrait inciter les tenants du pouvoir à plus de sens de responsabilité et à la nécessaire recherche de cohésion afin que l'ensemble des filles et fils de notre pays, disons, contribuent à l'œuvre de construction nationale. La situation sécuritaire. Les participants ont déploré et condamné la fréquence des attaques meurtrières perpétrées par les forces du mal et le nombre de plus en plus important de victimes arrestées, tant dans les rangs de nos vaillantes forces de défense et de sécurité que ceux de la population civile. Ainsi, a-t-elle salué la mémoire de tous les vaillants fils tombés au champ d'honneur, souhaité un propre rétablissement aux blessés et présenté leurs condoléances attristées et leur compassion aux familles endeuillées. Le modèle est froid, Lumana, malgré les épreuves et les péripéties traversées ne félicite jamais et continue son combat en toute tranquillité pour la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Les infox, encore appelés les fake news, sont devenus des faits courants au quotidien auxquels sont confrontés les utilisateurs des réseaux sociaux. Surtout avec l'avènement des types, les technologies d'information et de communication qui ne cessent de se moderniser, dont l'usage nécessite un certain nombre de savoir-faire et de savoir-être à but lucratif. Aujourd'hui, euh, l'un des plus grands problèmes que nous rencontrons avec euh, notamment les réseaux sociaux, c'est cette euh, fréquence de fake news, ce que nous, nous appelons euh, les fake news, c'est-à-dire c'est des, des informations souvent erronées, infondées et en tout cas qui ne sont basées sur aucune source fiable. Avec l'avènement malheureusement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il suffit de vous mettre de côté, d'imaginer euh, quelque chose et de balancer comme ça euh, sur les réseaux. Malheureusement, à la minute près, vous allez voir que euh, cette information, cette fausse information va faire le tour et d'aucuns malheureusement prendront ça pour argent comptant et c'est sur cette base qu'ils vont aller informer d'autres ainsi de suite. Ainsi, face à de telles réalités, qui bouleverse les liens sociaux entre compatriotes, ce serait souhaitable que les autorités en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile essayent de mettre en place des mécanismes de contrôle et de détection de fausses informations si possible, afin de lutter contre la narque, les diffamations et autres. Le monde de l'information est fortement pénétré par les infox et les intox. Euh, malheureusement dû à la, <clears throat> à la modernisation des plateformes, euh, notamment les réseaux sociaux, qui ont pris une ampleur très importante dans la société et notamment dans la société de l'information dans l'univers des médias. Un travail qui doit être fait avec le législateur pour que ces opérateurs et, téléphoniques et, et les législateurs puisse euh, trouver un mécanisme cohérent qui ne va pas violer le droit à l'information, qui ne va pas violer la liberté d'expression et qui va permettre, de, en tout cas, à nos services de renseignement, à nos services de à force de défense et de sécurité et même euh, à, toutes les institutions qui sont censées protéger euh, les libertés fondamentales individuelles et collectives d'être à même au cas où il y a une violation, il y a une menace sur la paix, les inquiétudes la cohésion sociale, l'unité sociale, l'unité nationale et la sécurité du pays pour que ces informations puissent être données sans pour autant violer, comme je l'ai dit tantôt, la Constitution, que ces informations puissent être données aux autorités compétentes pour qu'elles puissent mettre la main sur euh, les auteurs de ce genre d'écrit. Le droit à l'information est reconnu pour tous. Cependant, pour qu'une information soit publiée, il faudrait se rassurer qu'elle n'est pas de nature à troubler l'ordre public. gestion de la carrière du fonctionnaire, cas du médecin, c'est le thème de la caravane de sensibilisation du syndicat de pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger saint Dans son allocution, le secrétaire général du BEL saint a rappelé le rôle important des syndicats dans la mise en œuvre et le respect scrupuleux des dispositions réglementaires des textes dans la fonction publique. L'emploi, qu'il soit public ou privé, doit nécessiter des outils efficaces permettant de réguler les relations entre employés et employeurs. Pour ce faire, au Niger, le ministère de la fonction publique a élaboré plusieurs textes, dont entre autres la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique et son décret d'application numéro 2008 244 bar MFP T du 31 juillet 2008. Les associations professionnelles, les syndicats et les administrations doivent jouer un rôle important dans la mise en œuvre et le respect scrupuleux des dispositions réglementaires en assurant leur diffusion auprès des fonctionnaires. C'est ainsi que le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes, de la responsabilité qui est la sienne, a décidé de proposer à ses limitants deux conférences, à ses militants du deux conférences sur les thèmes suivants le suivi des carrières les droits et devoirs du fonctionnaire cas du médecin. Le but recherché ici est la maîtrise des textes par les participants. Le Bel saint ne peut que se féliciter aujourd'hui du lancement officiel de cette caravane de sensibilisation et encourager ses membres à s'approprier ces outils, à porter effectivement ces messages aux fonctionnaires, donc collègues de travail et collaborateurs, car au-delà de l'administration publique, et les fonctionnaires eux-mêmes, c'est la population qui est l'ultime bénéficiaire de cette action. Pour le ministre de la Santé publique Ilias Sarah, cette initiative du ben Sefa est à saluer. L'amélioration des services passe par le respect de tous les textes qui régissent le fonctionnement de l'administration de façon générale, mais en particulier, nous avons le Code de la santé publique, nous avons des lois qui cadrent l'exercice, qu'il soit public ou privé. Nous avons notre code déontologique, notre propre code déontologique. Et nous avons, Dieu merci, aujourd'hui des ordres dans pratiquement tous les corps. Nous avons l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes, etc. Pourquoi la nécessité de la création de ces ordres C'est pour non seulement expliquer, sensibiliser et amener les gens à comprendre leurs droits et devoirs. Et c'est en ce moment que nous rendons service à cette population dont on est appelé à servir. C'est vraiment un thème d'actualité. Et pour nous, le ministère de la Santé, c'est vraiment un grand motif de satisfaction de voir une structure syndicale aborder ce genre de thème. Et je tiens à l'exprimer de vive voix, à témoigner toute ma satisfaction au femme qui a eu l'idée d'organiser cette caravane. Le syndicat de pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger, en organisant cette caravane, vient de démontrer que le rôle d'un syndicat ne se limite pas seulement qu'aux seules revendications matérielles, mais au-delà. Il a aussi une responsabilité dans la formation et la sensibilisation de ses membres, et ceux dans toutes les régions. En cette période de froid, au temps de la culture de contre-saison, l'on assiste à une abondance de légumes sur le marché. Choux, carottes, tomates, piments et surtout de la laitue. Vu l'abondance de ces dernières, triste est de constater que les populations nigériennes en consomment sans se soucier de l'hygiène, en ignorant également les conséquences des maladies telles que la fièvre typhoïde, qui malheureusement est l'une des maladies les plus fréquentes au Niger. La fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse bactérienne, donc causée par une bactérie donc, euh, qui s'appelle le salmonella. Voilà, donc euh, il y a la fièvre typhoïde comme que les gens connaissent beaucoup et il y a la fièvre euh, paratyphoïde. Voilà, donc la fièvre typhoïde est causée par le salmonelle et les paratyphoïdes aussi également sont, sont, causés également par, donc, par d'autres bactéries. Pastor Solomon de prévention pour éviter cette maladie Les préventions, il existe euh, plusieurs préventions. La première d'abord c'est l'hygiène, l'hygiène euh, alimentaire et l'hygiène d'une manière générale. Et l'autre prévention c'est la vaccination. Donc il y a une vaccination contre la fièvre typhoïde que les gens doivent faire. Parce qu'on avait observé que en fait, c'est une maladie qui se, qui se vit vraiment dans les régions avec les conditions d'hygiène précaires. voilà, donc vraiment les principales préventions reposent sur l'hygiène des vie alimentaires et tout, et puis donc la vaccination. Un environnement sans fièvre typhoïde est un environnement sain où l'hygiène est primordiale. L'appel est donc lancé à l'endroit de tout un chacun afin d'éviter cette maladie qui freine le développement du Niger. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. you they make me go